jërë ngeen jëf euh, mbokk yi am nañu mbégte lool dellu siwaat ak seen émission autour du micro am mbégte dalal fi quelqu'un qui fait l'actualité aussi euh, Barthélémy Diaz ñu xam bu baax mu nekk maire nekk euh, tamit kenn koo xam ne ci wàllu politique taxawaayam Sénégal ñëpp ñoo ko ràññee Barthélémy Dias gis nañ ñoo ko am na ab diir dafa noppi woon kenn dégg ko woon lu bari ginnaaw bañ ko fi dalale woon ci coowu littoral bi te ñoom mbégte dalalaat ko fi ndax am na actualité yu baree bari

Euh, ci lu la porte plainte tey ñu yëg ne euh, ki nga xam ne moo di président de la république tekk na ndombay tànkam ñu bari nag ñu ne euh, lam waxoon moo waral lii moo di dafa ne président Macky Sall bu defee troisième mandat coup d'état la ban jàngat ngay def ci mbir mi. bon dëgg la nag soo gisee nit bu nekk ci ci xat-xat kooku da nga koy masawu mm. wante dans ce cas de figure bien précis je pense d'abord que le président Macky Sall décision au elle est arrivée un peu tardivement. mais parce que quand ku nga en place am place parce que ilif société bu mel académique, sach. c'est pas un gros mot aussi. non c'est pas des gros mots xam nga Pape si tu sa cœur, ma suis télé génn suñ ma jàppee ak ma dem ba même su ma fayoon ak chèque virement devant notaire et tout télé bi dama ko sàcc sa kër. fan nga teg sàcc sàcc bi. parce que suuf dafa am euh, këyit bu ñuy wooyee état des droits réels loolu mooy wone mooy firndeel ku moom suuf sooju soo demee tey nga interroger état des droits réels ci euh, dépôt de Wakam état du Sénégal mooy propriétaire il est écrit noir sur blanc, propriétaire, c'est l'État du Sénégal, ce n'est pas Dakar Demdik. Dakar Demdik n'est pas l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal n'est pas Dakar Demdik. kon nous ñoom ñu jël suuf bu ñu moomul su droits réels, réel jaay ko dañ ko papier notaire c'est de la littérature et de la poésie Dakar Demdik a un ancêtre qui s'appelle la SOTRAC mm-hmm. indépendance bataille da ngeen mës a fi benn directeur général Sotrac wala Dakar Dem di jaay un mètre carré moom il prétexte que Dakar Dem Dikk dafa amoon ay difficultés moo tax mu jaay mais Sotrac dafa fayitoon fayit taxul ñu jaay kon nag je reviens à ce que j'ai dit la mission de Dakar Dem n'est pas de vendre un foncier qui ne lui appartient pas kon nag soo jëlee loo moomul da nga ko sàcc soo waxulee dëgg da nga fen So, jaye loo ci ay transactions da nga escroquer mais ce monsieur là la raison de tax c'est c'est un idiot heureux parce que bamay wax mom taxuma wax man dit. tax a wax man xamna ko moy sa way moy suñu suñu copain moy suñu copain <laughs> hein? suñu copain du respecter constitution du Sénégal néna na constitution mayu sañ-sañ chef de parti et président na président chef de parti mané dinaa yëkkati wax ci te wax ji bés bu demee tribunal dina ma neex lool lool lool lool lool parce que man mii porté naa plainte waa jooju ci procureur de la république mais procureur instruire parce que le procureur bien sûr yow xam nga ni que procureur il dépend de la chancellerie. Mm-hmm. moo tax bi yoon ñu jël affaire bi yóbbu ci doyen des juges man lu ma ñor ci wax ci du waa jooju parce que kooku sax heureusement que dàq nañ ko parce qu'il était pas sa place mais président de l'APR du président Macky Sall di sa waay di suma waay di suñu waay est-ce que laal ci association de malfaiteurs bobo? parce que c'est une association de malfaiteurs est-ce que laal ci escroquerie en bande organisée bobo? Euh, euh, L'Al moy lan. Moi, c'est moi. Il beaucoup na ci conception bec, ba aboutissement. waaw moo doon visiter chantier mom de di nak ni nga koy tabax. wax deug yalla parce que parce que parce que tout de même mais. Abdoulaye Wade nekk fi le président du Sénégal balaa moom Abdou Senghor mais fépp fu ñu tabax sièges c'était pas du foncier qui appartenait à la RTS ou à l'hôpital Dantec ou bien à Dakar Demdik, non et puis tout de même mais je reviens à ce que j'ai dit de, l'indépendance à nos jours pourquoi aucun directeur général de la Sotrac jusqu'à la faillite de la Sotrac waxuma difficulté wante faillite là wax pourquoi aucun directeur général de Dakar Demdik n'a vendu un mètre carré parce que Wadjoju, celui que j'appelle l'idiot heureux, il avait un objectif. C'était de vendre toute l'assiette foncière de Wakam pour tout tourer Dakar Demdik Djamnyadjo. gis nga yàlla Moko wer. weer wante nag amchili. Moi, ma am ci lii mooy Macky Sall ngi ci troisième mandat. parce que Macky Sall bu fi ken que mon le troisième mandat. et je reviens à ce que j'ai dit semaine bi mangi ngi nak sénégalais parce que mangi ngi télé yi mangi ci radio yi mangi ci journaux yi mangi ngi fu nekk maa wax dama bëgg sénégalais yi suñu noree poñe Macky nañ ko poñe mu xamné ni que du cëram du cërama ah. Macky Sall de la c'est notre adversaire politique wante tout de même il n'est pas Ouattara il est aussi il est un peu intelligent que il est plus intelligent que Ouattara alors il est surtout pas Alpha Condé donc il n'a pas le droit de se comporter comme ça mais il faut qu'ils comprennent que troisième mandat, officiellement ou officieusement, ça reste un coup d'État. Kon nak mom askanu Sénégal jiwuñu ko lu mu ñu lu Senegal, ñu bëgg a yekkal nii moo tax moom tey Sénégal desalatu ko dara moom moo doon Sénégalais njukkal na bàyyi wax ci. Macky la ngi ci troisième mandat troisième mandat bi du def ni Ouattara. du ko defee ni Condé da koy def bi à la Macky Style Macky Style mooy nii oui nii non du ñu organiser élection wootee dialogue nelawal askan wi dialogue bi yéen lan ngeen nam ñii dañu nam gouvernement union nationale ñee lan lañu nam ñee dañu nam dañu nam statut chef de l'opposition parce que dafa am ay tàngal ak ay biscuit ak ay chocolat yi ñëw ak statut bi moom wante moom Macky Sall lan la nam ma ci waxtaan bi pap mooy troisième mandat troisième mandat bi mooy dañuy dàq élection locale de minimum deux ans et demi je l'ai dit du am élection 2019 est-ce que mais du dafa jaaduwul wante man. la élection locale nii est-ce que le jaadu. mais jaaduwul parce que voilà, bala may dee ñuy may laaj yow est-ce que da ngay wut troisième mandat ci mairie à mon Sacré-Cœur mm. mais je fais un troisième mandat parce que mon deuxième mandat est terminé mais ce n'est pas à moi ou à toi de convoquer le corps électoral c'est au mm. président Macky Sall donc président Macky Sall vous mu excuse dialogue politique pour wax né ni gagné mais que vous bëgg fichier parce que mais pas mais ban fichier de auditer dañuy fichier dañuy auditer fichier parrainage bi le fichier élection présidentielle bi ban qui fichier parce qu'il y en a trois ou quatre ban fichier dañuy auditer et puis pas tout de même les Sénégalais dañuy dem di superviser les élections ci bitim réew mais mm-hmm. soxla ñu ne mu ji ay nasaraan yi ñëw fii di ñu auditer suñu fichier te ñun ñu xam bu a fichier lu ci mais tout de même appelez les anciens directeurs des élections qui étaient là mettez-les à contribution prenez l'expertise locale auditez le fichier c'est quelques semaines parce que si on reporte l'élection les élections locales élections mairie ñu le ko te ci def nañ ko ba Mm-hmm. waxoon naa leen du am élection 2019 ñu ne ma non xale bi li muy wax amul man leen du am 2020 ñu ne non kii dafa ma leen du am 2021 ñu ne ma 2022 ma leen 2022 dafa am lu may xaar kooku normalement d'ici maximum deux mois dinaa ci xam dara dinaa leen wax est-ce que daa am 2022 ou pas wante lu ma xam mooy calcul bi entre fu élection locale naroon am ak fuñ ko bëgg a yóbbu mooy ñetti at ñetti at yooyu la ñu bëgg a tamit élection député yi mais kooku suñ ko défé élection député bu nora am 2022 nga randal ko ba 2024 fin 2024 mais présidentielle bu am 2024 da nga koy randal ba 2027 mais benen xétu 3 troisième mandat la mais lolu coup d'état électoral la. je pense que lolu la Macky bëgg a def. Macky Sall dama kay biiral fini sous su Sénégalais yi élection présidentielle du am 2024 le président m'entend il sait très bien parce que je sais ci le mu je sais je sais parce que je suis informé mais moi dafa am ben choix bu ma def moi j'ai fait le choix de dénoncer waaw. bokkoo ci ñi ngay opposition dealer parce que. dealer mais dafa may opposition dealer dëgg dëggantaan. bu baax a baax a baax gars yi ngi deal ay deal yu bon ñu ngi deal ay deal yu bon deal yi ils sont du du ñëpp ñu fa nekk am na ñu nga xam ne ñu fay toog wax dëgg yàlla les pauvres ils sont abusés ñoom dañ leen di abusé ñoom parce que ñoom dañu foog ne ni que ils sont dans leur bon droit mais ils ne comprennent pas qu'il y a quatre ou cinq personnes qui tirent les ficelles parce que Pape man may président. yow yaay sama opposant Pape lu tax man noonu la jox ñaari milliards at bu nekk pour nga may xeex xanaa man da xanaa man. foog nga ne Macky dina def loolu. jox nit chef de statut chef de l'État Macky xam ne ba ngeen di dem ci élection présidentielle yi seen compte bancaire yëpp daf ko bloqué. kum mën na la dimbali sax mu fexe ba dër la redressement fiscal foog nga ne dina jël nit di ko jox 2 milliards jox ko statut chef de l'opposition. xam nga dialogue bi lu tax ñuy wax waxu statut de chef de l'opposition mais parce que wax naa la que ci dialogue bi ku ci nekk dafa am lu la ñor ci dialogue bi. ni gouvernement d'union nationale dafa am ñu nga xam ne dañu bëgg a dégg monsieur le ministre. parce que mosuñu dégg dara ndeysaan. ngeen di masawu tamit am yaakaar que dinañ mës a dégg monsieur le ministre. am ñeneen ñu nga xam ne ni leneen moo leen ci ñor y a des hommes d'affaires dans ce dialogue ils cherchent des marchés des contrats mais président Macky Sall lu mu munul nangu moom te muy sa waaye te muy sama waaye te nga xam ko ma xam ko. Mm. munul nangu exploitation pétrole ak gaz fin 2024 du ko fekkee. Pape sous de pétrole à gaz Wartan vous nous séq et le président Macky Sall doit comprendre que le pétrole et le gaz ne lui appartiennent pas ni lui ni son frère. ni sa famille. non mon vous vous pensez que les 2 milliards qui ont été annoncés pour le statut du chef de l'opposition moins 2 milliards officiellement mais officieusement le fromage sera plus gros. Parce que c'est le pétrole et le gaz qui va payer ça. Parce qu'il faut calmer tout le monde. Parce que Maki a pris des engagements qu'il doit respecter. Le peuple sénégalais demande que des élections. Si Maki est réélu, mais alhamdulillah, nous savons que... Sénégal sa place mais suñ ko dit ci euh, mën na troisième mandat wala dëkk bi dafa noo am troisième mandat amul problème mais soo waxee Macky munul troisième mandat kooku moom da ko fekkee ça veut dire que mi ngi ci tànku troisième mandat aussi simple que ça tey dialogue politique bi te foofu lay les papes, le dialogue politique aujourd'hui les acteurs doivent sortir et faire un point de presse waxtaan ak askan wi wax leen fu ñu toll ak lan la ñuy waxtaanee mais est-ce que c'est pas là où Macky a réussi ce qu'il voulait il a dit xool na leen ngeen xool ko je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression oui ou non oui La a mais moi je refuse je suis de l'opposition mais je refuse d'être réduit à ma simple expression Macky am na magistrature am na police gendarmerie nangul naa ko momo moom de mais man pas me réduire parce qu'il m'a pas construit il m'a pas construit donc tay bala may ñu ne ma chef de l'opposition mais ban opposition moy am chef ba ne dëppee pas si ba mais pap ya ngi fi ma ngi fi wax acteur politique bu fi un acte d'opposant j'ai beaucoup de respect d'amitié je soutiens beaucoup je les encourage euh, euh, mon ami Ousmane Sonko mon frère Thierno Bokoum, Babacar Diop qui vient de créer son parti politique un garçon très courageux euh, Guy marie Sagna les gosses de Yanamar. mais ils n'ont pas la force qu'avaient les partis politiques mais est-ce que c'est pas le peuple qui est dans est-ce que c'est pas le peuple aussi qui a démissionné parce que comme on ma wax lolo. qu'est-ce qui s'est passé au Mali Imam Dicko dafa woote le peuple wuyu si ko mais Tibit, sénégalais yi pour man sonnuñu tey jii yow ñaata marche nga dem ñaata marche lañ wax te nit ñi ñigewuñu genn mais nga fogné bu 1 million de sénégalais gennon taxaw bu place de l'obélisque président Macky Sall dina sañ def limi def. Pape mën naa la wax dara une confidence. Mm -hmm j'ai été un acteur majeur pour ne pas dire un acteur clé du 23 juin. Absolument. 23 juin je suis venu à l'Assemblée nationale ba may allé à de ma tête. j'avais peur ce jour-là j'ai senti des frissons mm-hmm. parce que ça m'avait dépassé xam nga ça nous a pris 4 ans pour pour réveiller le peuple sénégalais 4 ans 4 ans man ñàkkamtiwu ma semaine bi yëpp danaa wax wax wax wax wax ba gars mais booy bi dafa

bu nekkee am na kenn koo xam Khalifa Sall war na mën a compter woon ci moom dans son combat pour la libération en première ligne si bokk aujourd'hui Barthélemy les Sénégalais s'interrogent que fait Khalifa Sall est-ce qu'il est en deal pourquoi Khalifa Sall ne bouge pas quel est le problème bon je vais d'abord répondre par fu nga daanale Khalifa n'est pas en deal Donc je peux le confirmer je reviendrai sur le silence parce que Khalifa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

xaaruma dara ci moom lenn rek lay xaar ci Macky Sall mooy na respecter Sénégalais yi wax leen kan la élection yi di am nu muy amee joxe carte électorale yi te bàyyi nag lu mu nekkee bàyyi lu mu nekkee parce que Macky Sall doit comprendre qu'il n'est pas au restaurant kenn joxu ko benn menu muy choisir entrée wala plat de résistance wala dessert di choisir da ngay bàyyi gars yi nekk candidat sénégalais yi ñooy choisir ce n'est pas à toi de choisir kan mooy candidat ak dul candidat. mais Macky est fort ah parce que xam nga tax ma ne il est fort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 avec l'argent du contribuable. Et on doit se taire. Je ne me tais pas. J'ai décidé d'aller dans les radios, les télés, partout et les dénoncer. Ce sont des dealers. Alors, euh, littoral bi mais littoral bi président de la république c'était l'objectif recherché le président a montré d'abord dit que. Il faut dit que lui il est là pour ses copains et les coquins de la paire parce que Soudamé, dans dans le jox exemple président Soudamé, demee ben, eh, bon maintenant euh, préfet il mën à la place des maires si les maires ne veulent pas signer. mais ça ça existait avant d'ailleurs. mais non c'est dans le code général des collectivités <laughs> mais lui il prend un décret mais qui refuse de publier au journal officiel il n'est pas attaquable Ben, deuxièmement président. Ah ah su demee ba ku nga xam ne ni moo nar a saytu di gestu di contrôler mbiru suuf si mooy DESCOS direction de la surveillance et du contrôle des opérations des sols nga ne maintenant ñoom dañ leen di dugal ci CCOD ça veut dire ñu nar a gestu ak contrôler nga ne maintenant da ngeen ñëw bokk fu ñuy pàccoo lu ñuy contrôler te dañuy am seen wàllu bu ñuy pàccoo bu baax a baax a baax a baax ça mooy di nga tok fuñuy patcho pàccoo gars ben di nga tok gars yi teg ku nek di dag ci miche bi yo gars ne doo yaa ngi toog fekkee lépp yo yoo. xoolal ñuy dagg rek yoo doo voilà yoo yoo sax mos. do ñam do sax mos lolu amul. donc la DESCOS, qui devait être le bras de contrôle des collectivités locales la surveillance elle est au cœur maintenant du partage. alors ça veut tout dire ça veut dire que Macky Sall doit organiser des élections je reviens à ce que j'ai dit le Sénégal mérite mieux que Macky Sall c'est mon intime conviction, le Sénégal mérite mieux que Macky Sall. Et le Sénégal, et quelque part, le Sénégal a connu mieux que Macky Sall. Il a connu mieux que Macky Sall tout de même. Et il mérite mieux que Macky Sall. Et il peut avoir mieux que Macky Sall. Très bien. Alors, nous avons une question. Thierry Lassane Sall a un livre. Il a lu beaucoup. Il y a je dirais aussi l'histoire de Total. Mais au lieu de nous attaquer le fond, ce qu'il a dénoncé il y a un secret d'état secret d'état en tant qu'homme politique est-ce que partage nga avis boobu ñu pour yow il a dénoncé des choses Yo, c'est des prévarications des deniers publics. non mais ce que Tiano Alassane en fait a démontré il a démontré en fait qu'il n'y a pas d'état donc quand il n'y a pas d'état il n'y a pas de secret d'état Tiano Alassane Sall a démontré en fait qu'il n'y a pas de république il y a une brochette je le répète de voleurs d'escrocs de mhm. personnes ils ont décidé de piller ce pays mhm. sans aucune vergogne Et ça fait mal parce que dans une situation où que tu n'as pas les moyens de régler la situation à par exemple nous, nous, nous, nous, pas possible non et surtout il y a état normal ce qui des informations, normalement le procureur devait s'auto-saisir pour diligenter même une enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en matière de détournement des deniers publics, mhm. il n'y a pas de prescription. Donc le livre de Tiano Alassane Sall, on peut l'exploiter dans 5 ans, dans 10 ans et le traîner au tribunal. Pas pour comme qu'est-ce que pas hmm. qu'est-ce Je le répète, l'homme propose, Dieu dispose. Des fois, le diable s'interpose, mais là, Dieu va trancher. Ils ont trop fait. Ce peuple, il souffre dans sa chair au quotidien. Dans les dugg ci hôpitaux dans da ngay am les da ngay les da ngay les université da ngay marchés, da ngay dem marché da ngay rus di gis ay nit di dem di dugg ji marché di ay am ci les gens sont malades peuvent pas se soigner les Sénégalais sont fatigués et vous pillez ce pays au vu au su de tout le monde Alassane ñu ngi bu mu ci bu mu ci tôt ou tard ou tard une génération viendra au pouvoir dans ce pays là et les choses vont changer Tôt ou na il y a na gaay waxtaan na gaay va ce qui s'est passé au Mali Ibeka avait pensé tout verrouiller jusqu'à même s'arranger pour que l'opposant principal soit kidnappé tout avait été contrôlé aujourd'hui il est couché sur un lit d'hôpital et ceux qui l'avaient mis dans une mauvaise posture, c'est eux qui parlent de l'avenir et du devenir et du futur du Mali. Et c'est eux qui vont diriger le Mali. Peut-être eux, ils seront peut-être animés d'une volonté de pardon. J'espère que les Sénégalais seront animés d'une volonté de pardon. Mais il ne s'agit pas à un homme politique de venir dire Mansouma su ma nekkee président de baal Macky Sall munoo baal Macky Sall ci lu nga je ne pétrole bi yow Momoko. gaz yi moomoo ko lu Alassane bind nii du sa alal alors askanu Sénégal la bés bu ñu la falee da nga koy leeralal Sénégal sinon yow tamit dañu la fay jëlee. Hmm. alors euh, peut-être la dernière question moi, les questions de transparence dans la gestion du Covid gis nañ nga def euh, ay actions yu barre, barre. bare tu mais rek euh, nga baal ma ci expression bi ma utiliser bande cerveau nga ba ngay def loolu da ngay def tekk ku la rek nga ne non je suis occupé de def say acte rek euh, ne tekk ma ne ku ma wax mais il faut inviter mais, on ne ko billaay du wax day rek parce que wala ñuy wax ne wax kopp jëf da alors sur les questions de transparence aujourd'hui Mansour doit rendre compte sur beaucoup de choses sur la gestion de l'art jusqu'à présent ni ngeen Tech, nous naan un comité bu ko doon top, mais bon Sénégal Mais mais situation bu nga dans nous, c'est seulement une situation qui est à l'image du pays c'est tout parce que en réalité il n'aurait jamais dû être à ce niveau de responsabilité. C'est aucun mérite. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit, c'est la République des copains, des coquins et de la famille. Les copains, les coquins et la famille, ils ne rendent pas compte. Mais ils rendront compte. Pas pour l'instant, mais ça viendra. Bunko parce que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils nous ont montré c'est quoi la CRI. Et ils nous ont montré aussi c'est quoi le Mataï. Parce que Karim Wad, on peut ne pas être d'accord avec Karim Wad. Mais on ne peut pas dire à Karim Wad qu'il ne peut pas dire que lui, papa mort au parce que tout de même, son père a été président de la République, il avait des fonds politiques. Et Macky Sall, dans sa déclaration de patrimoine, il y a des biens qui ont été donnés par Ouad. Comment Ouad peut donner à quelqu'un qui n'est pas son fils biologique et n'est pas donné à son fils biologique tout de même Donc là-bas, il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la foutaise et il y a eu des règlements de compte. Quant à l'histoire de Khalifa Sall, c'est cette histoire qui nous donnera encore beaucoup plus de punch pour remettre ce pays à l'endroit parce qu'il est malheureusement à l'envers. Alors, ce dernier message, là, le donne Barthélémy Diaz. Mon dernier message, d'abord, au-delà des remerciements par rapport à cette invitation, demander aux Sénégalais de se réveiller. Parce que l'histoire du pétrole et du gaz, s'ils ne se réveillent pas, ils seront étrangers dans leur propre pays. Et Macky Sall et sa clique ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui rester au pouvoir après 2024. Sans goûter au délice du pétrole. Non, ce n'est pas sans goûter sans prendre leur part du pétrole et du gaz. Et ça ne leur appartient pas. Et ensuite, le dernier message que je souhaiterais euh, donner, c'est à l'endroit du président Macky Sall. Lui demandé tout de même de faire preuve de responsabilité, de dignité. Il y a un peu de dignité tout de même. On a tout donné à Macky Sall. Si nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous président du Sénégal, nous donc Macky Sall doit comprendre qu'il est devenu président du Sénégal de par le génie de la démocratie sénégalaise mm. et de par l'exemplarité de ce que le peuple sénégalais représente sur le continent africain. Il n'a pas le droit d'étouffer la démocratie sénégalaise et il doit laisser tout le monde compétir, tout le monde, y compris Khalifa Sall merci beaucoup Barthélémy Diaz maa ngi de sant di la gërëm ci teew bi nga wax ca temps xat na parce que gis na ne temps mom ya ngi ci beaucoup d' activité euh, di sant di gërëm euh, ñu ñu sétane c'est une émission autour du micro très rapidement euh, je suis revenu hein, après quelques jours de repos donc ñu wat ñenen ñu fas tok waxtane waxtaanee réew mi tolluwaayam parce que jot na ku nekk jël sa responsabilité ci réew mi ni muy doxé. leen sant leen gërëm ba benen inshallah. ngeen jëf.